Je vous remercie. Vous posez en fait le problème de la candidature du président euh, sortant, Macky Sall, à l'élection 2024. Cette question ne fait l'objet d'aucun doute. Le président Macky Sall veut, en violation de la Constitution, se présenter. Il attend le moment opportun pour le faire parce qu'il sait que c'est une question extrêmement difficile. Parce que la Constitution est très claire. Le peuple s'est déjà prononcé deux fois. En 2001, le peuple a dit que les mandats sont limités à deux. Référendum, Souad. En 2016, ce même peuple a réaffirmé dans le cadre du référendum que les mandats sont limités à deux. Jusqu'à présent, il n'y a pas de changement sur ce point. Donc, l'arbitre central, c'est le peuple. C'est le peuple souverain. La Constitution est claire là-dessus. Il n'y a aucune interprétation possible. C'est clair. Mais qu'est-ce que vous comptez faire euh, dans ce cas Je suis en train de, vous expliquer. Il ne faut pas embrouiller des questions simples. Embrouiller les questions simples, c'est donner l'occasion de trouver des fenêtres pour poser des candidatures. Il ne faut pas mettre les Sénégalais dans une situation de faux suspense, comme s'il y avait une incertitude, et qu'on attend qu'il décide de, de se présenter ou de ne pas se présenter. Il ne peut pas se présenter, la Constitution est claire, les mandats sont limités à deux. Il a ajouté en 2016, nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs. Ça veut dire que tu peux revenir, etc. C'est très clair. Après. Mais c'est clair. Maintenant, il ne veut pas partir. Il ne veut pas partir parce qu'au Sénégal, il y a un changement fondamental c'est que l'ancien système a, atteint ses limites et ne veut pas quitter le pouvoir. Parce qu'il y a une nouvelle opposition politique qui s'est développée et qui pose de vraies questions. La question des ressources naturelles, la question de la souveraineté, la question des institutions, et qui dit qu'il faut changer de système. La question de la gouvernance, dans un contexte où on a beaucoup de richesses, dans un contexte où le monde est très ouvert, que tout le monde regarde le Sénégal, il ne veut plus partir parce qu'il sait que la nouvelle opposition politique va poser de vraies questions sur la gouvernance. Et son réflexe, c'est de dire, sauvons l'ancien système. Comme il ne peut pas le faire seul, il a appelé un dialogue où il a réuni tous les tenants de l'ancien système. Ils ont eu leurs divergences et ils se sont retrouvés pour négocier les candidatures des uns et des autres. Donc, c'est un combat entre l'ancien système, qui ne veut pas partir, et le nouveau régime citoyen qui veut redonner aux populations ses droits ses prérogatives, sa nourriture, son éducation, sa santé. C'est le combat, clair et net. Ceux qui ne comprennent pas que c'est un, c'est une recomposition de l'ancien système qui veut garder le pouvoir, ils, sont, ils vont se tolérer tout. Ils vont faire tous les arrangements possibles, toutes les négociations possibles pour participer. Et vous avez vu un peu les résultats du dialogue, c'est clair nous, nous faisons partie de ceux qui pensent que cet ancien système a atteint ses limites et nous voulons un nouveau système. Et c'est pour ça que les tenants de ce nouveau système sont persécutés. Et à, la tête des tenants de ce nouveau système, il y a le président Ousmane Sonko. C'est clair. Tout ce qui est mis en place, c'est pour casser cette dynamique du peuple qui veut reprendre le pouvoir. Le choix est simple. Il n'y a pas de suspense, il n'y a pas de problème de droit, il n'y a rien. Il y a un ancien système qui veut rester là pour continuer sans même donner grand-chose au peuple. Ça fait 63 ans. C'est notre lecture. Donc nous ne nous laissons jamais embarquer par les déclarations, les trucs comme ça pour nous, c'est clair et La ligne de démarcation est très claire. 2019, j'étais le superviseur de la campagne de son. On est sorti troisième. Le deuxième est allé rejoindre parce qu'ils ont senti la menace. Ils sont allés rejoindre pour se renforcer. Aujourd'hui, le dialogue, ils ont tous rejoint le dialogue pour se renforcer. Chacun n'a qu'à choisir son camp. Maintenant, s'ils décide de violer la Constitution, le peuple avisera. Hmm. Voilà notre conception de cette question-là. Merci. Mais justement, à part, euh, euh, amoter le peuple, à part prendre le peuple en bouclier, à part euh, sortir dans les rues, ce qu'on a vu, puis des événements qui se sont transformés en émeutes puis en pillage, qu'est-ce que vous comptez faire pour lui balayer la route est-ce que vous avez d'autres voies, de moyens, à part euh, d'autres voies, moyens, je vous dis, je ne peux pas dire à part la violence, mais qui, qui pourraient peut-être épargner les Sénégalais de, de cette violence qu'on a vue dernièrement Nous n'avons jamais fait la promotion de la violence. Nous sommes contre la violence, elle est inutile. C'est clair et net. Nous avons toujours travaillé pour des élections libres et transparentes. Et pour éviter que ces élections soient truquées, nous nous sommes battus pour avoir un processus électoral. Malgré cela, vous avez vu ce qui s'est passé sur les inscriptions. On a limité à un mois le délai d'inscription pour une révision exceptionnelle, qui n'était pas nécessaire. C'était une révision normale qui devait commencer en février. En février, on avait une grosse tension. Ils ont décidé de faire une révision exceptionnelle et ils l'ont limité à un mois. Malgré ça, les jeunes se sont bousculés, ils ont fermé les portes, il n'y a eu que 300 et quelques mille inscrits supplémentaires. Donc, nous nous pour les élections. Prendre le pouvoir par les élections, c'est possible. Ça a été fait deux fois et aujourd'hui, c'est encore plus facile. L'exemple des locales et des législatives le montre, malgré les imperfections du système. Nous n'avons jamais appelé à la violence. Maintenant, quand un peuple est en colère, vous ne pouvez pas mettre de l'ordre dans, dans sa colère. C'est ceux qui ont mis le peuple en colère qui sont responsables de cette situation. Et ce que nous demandons à tout le monde, c'est de se préparer pour les élections. Il ne faut pas qu'on nous laisse, qu'on nous envoie dans un trou sous la violence pour nous, pour nous détourner de la préparation des élections. S'inscrire, se préparer, sécuriser les résultats représenter les partis dans les bureaux de vote. Maintenant, il y a une répression, il y a une résistance, les conséquences, vous les avez vues. Plus jamais ça. On se bat pour le faire. Mais nous ne pouvons ni prédire ce qui va se passer. Nous ne pouvons pas prédire la réaction du peuple face à une injustice aussi flagrante. Le Sénégal a tout donné au président Macky Tout. Tout. Si vous pensez que c'est le plus compétent, le plus sérieux, le plus droit de tous les compatriotes et qu'il a le droit de violer la Constitution, il faut aller l'applaudir et aller le soutenir. Si vous pensez le contraire, il faut le dire de partir. C'est ça la vérité. Nous nous sommes sacrifiés pour ce pays, très jeunes. Nous avons travaillé pour ce pays. Nous avons sacrifié notre jeunesse pour ce pays. Et quand on voit ce pays aller à la dérive, nous nous sommes engagés en politique pour dire non. Ce n'est pas pour des intérêts personnels que nous sommes engagés en Pourquoi nous devons accepter ça C'est les Sénégalais qui doivent dire non, c'est tout. Non, personne n'a le droit. Comment pouvez-vous comprendre qu'un Sénégal qui a une tradition démocratique de plusieurs décennies suspende sa stabilité à la décision d'une personne qui n'est pas plus méritante que les autres C'est ça la réalité. Ce discours sur la violence, c'est vraiment violent ce qui a été fait. De vouloir violer une constitution, un référendum, un peuple qui dit que les mandats c'est deux. Vous voulez trouver des justifications. On peut toujours trouver des juristes pour faire n'importe quoi. L'apartheid, c'était des juristes qui l'ont théorisé. Le nazisme, ça a été théorisé par des, par des juristes. L'esclavage, ça a été théorisé par des juristes. La colonisation a été théorisée par les juristes. Ce n'est pas un problème de droit. Je ne parle même pas de la parole donnée, parce que ça, il y a des gens, leur parole, c'est rien du tout. Aujourd'hui, est-ce que nous, Sénégalais, nous acceptons qu'une personne décide de violer la Constitution alors que le peuple a décidé que les, mandats sont limités à deux Si on l'accepte, on n'a qu'à l'applaudir et laisse laisser le pays, il fait ce qu'il veut. Si on ne l'accepte pas, on dit non. Quand on n'est pas d'accord, il faut dire non. Voilà notre conception de cette question. Mais juste, euh, pour qui il faut respecter les institutions de la République. Respecter les institutions de la République vous devez dire laisser le soin au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la question du troisième mandat. Pourquoi euh, pensez-vous qu'il a tort de, le dire Lorsque sur un terrain de football, il y a un arbitre central un abus de touche. Si l'arbitre central se prononce, les règles du jeu sont claires. Il y a deux mi-temps 45 minutes, deux, deux temps de 45 minutes avec une pause et tout. Quand la central se prononce sur les règles, le peuple connaît les règles, les spectateurs d'un match de football, même quand il y a autre chose, si la central ne s'y pas, tout le monde bouger. connaissent, tout le monde connaît les règles. Mhm. Le Conseil constitutionnel est un arbitre de touche mhm. dans cette affaire. C'est pour les choses qui échappent. Rien n'a échappé, c'est clair. Le Conseil constitutionnel n'a rien à voir dans ce dossier-là. Rien à voir. Il va prendre les dossiers de candidature pour voir si vous avez réuni les conditions, les pièces, etc. Et dire, mais quand la Constitution dit, à partir d'un référendum, que les mandats c'est deux, on le reconnaît, il est passé là-bas deux fois, il a prêté serment deux fois. Et donc c'est fini. Où est le problème Pourquoi voulez-vous accepter cette propagande sur le Conseil constitutionnel qui doit qui doit se prononcer Il se prononce sur quoi sa candidature n'est même pas recevable. Vous êtes passé une fois, on vous reconnaît. Vous êtes passé deux fois, ou bien vous pouvez nier ça. Tout le monde sait qu'en 2012, il a prêté serment. Oui. Tout le monde sait qu'en 2019, il a prêté serment. C'est deux. Ce n'est pas une question de comptabilité. Tout le monde sait compter jusqu'à deux. Il y a deux mandats. Le peuple a dit qu'il y a deux mandats. N'acceptez pas d'autres débats. Maintenant, s'il décide de défier le peuple en violant la Constitution, on fera face. Actualité oblige toujours, M. Camara, Matissat à Paris a laissé entendre que des puissances étrangères, peut-être, ou bien qu'il y aurait un complot international mhm. contre le Sénégal. C'est que euh, son ami Robert Bougie avait dit sur, RFM. Euh, est-ce que vous, en tant qu'homme politique, euh, avez-vous perçu quand même cette menace sur le Sénégal Vous connaissez la stratégie, il faut faire peur au peuple, tout ce qui bouge euh, comme la menace contre tout le monde. Le peuple sénégalais n'est pas menacé. Si lui, il est menacé, c'est son affaire. Le peuple sénégalais n'est pas menacé. La menace du peuple sénégalais, c'est l'éducation qui est dans une situation désastreuse, la santé, la pauvreté. 63 ans, avec toutes les richesses qu'on a endettement de 12 000 milliards, alors qu'on a des ressources naturelles qui peuvent nous permettre d'avoir ce montant en un claquement de doigts. Donc toutes ces théories-là, c'est pour dire aux Sénégalais, attention, si je ne suis pas là, c'est fini. Nous allons garantir la stabilité de ce pays avec une alternance correcte des solutions et la situation des peuples va changer. Vous allez voir, vous allez sentir dans votre poche avec des solutions claires que ce pays, nous pouvons le développer dans la stabilité et la paix. Nous sommes des hommes de guerre, nous. Vous nous avez déjà vus dans des, dans des trucs de guerre, de violence et tout. Maintenant, avec tous les étrangers, nous allons discuter à mémoire Personne ne va nous dicter notre conduite. Personne. Nous savons comment ça se passe. Moi, j'ai travaillé avec beaucoup de pays. Il faut, et si tu acceptes qu'on te piétine, on te piétine. Nous, nous n'acceptons pas qu'on te piétine. N'acceptez pas cette propagande. Il y a un complot, ceci, le truc international, tout ça, c'est pour faire pour dire, oh, mais puisque c'est comme ça, laissez-le ici, etc. C'est incroyable. Prolongation, report d'élection. Parce que simplement, il n'est pas prêt à partir. Mais arrêtons la constitution et ils ont un roi, il dit, bon, allez, vas-y. C'est une propagande. Ça ne marche pas. Ce pays-là, nous avons droit, nous avons le droit et le devoir de nous protéger. C'est pour ça que ce débat-là, ne m'intéresse pas du tout. Mais il n'a pas dit, bon, je ne suis plus d'accord, je ne veux plus partir, je vais forcer. ok, je vais forcer, ou bien je ne peux plus partir. Limitation mandat, il appelle un référendum. Il appelle un référendum. Le même peuple dit, OK, actuellement la situation est telle il n'y a plus de... On, ne limite plus les mandats. Le peuple se prononce. Si le peuple décide qu'on limite plus les mandats, il se présente. Ça peut être une porte de sortie quand même. Oui, mais nous, on est-ce que vous nous, nous, quand on nous a battus aux élections de 2019, nous avons dit qu'on fait, qu'on, ne bouge pas. On ne bouge pas. Et pourtant, beaucoup de jeunes qui étaient derrière nous avaient dit, ouais, on va casser, c'est pas normal, il y a eu des irrégularités et tout. On a dit, ne bougez pas. On a calmé tout le monde. Et la stabilité de ce pays après 2019, on le doit à notre coalition avec Ousmane Sonko. On a calmé le pays. Et pourtant, on avait des raisons de protester. On n'est même pas allé devant le juge. Parce qu'on a accepté les règles. On nous a éliminés au parrainage. Vous avez vu comment on, nous a éliminés Qu'est-ce qu'on a fait On est allé directement, chacun allait se ranger derrière un candidat. Et pourtant, on avait toutes les raisons. On a contesté, vous avez vu les réponses qu'ils nous ont données. Eux-mêmes, ils savent que ce qu'ils ont fait, ce n'était pas normal. Et c'est fini. Mais quand on touche maintenant l'essentiel, si on accepte ça demain, on va nous poser un débat sur la forme républicaine de l'État. On va nous dire, bon, c'était une république, mais maintenant, euh, on a des traditions. Il faut que le président puisse nommer l'Assemblée nationale, etc. On a mis des institutions au Conseil des collectivités territoriales. Il y a 70 personnes qui sont nommées par le président. Ça, c'est des, survivances de l'autocratie. On l'a accepté dans un pays démocratique. C'est comme ça que ça commence. Tu pousses, les gens acceptent. Tu pousses. Et à un moment donné, tu dis, voilà, comme je pousse et que les gens acceptent, maintenant le problème qu'il a, c'est que les gens n'acceptent plus. Il choisit les candidats, il sort un dossier, euh, Karim Wad, euh, euh, ministre, au lieu de l'amener au cours de justice, non Cour de répression enrichissement illicite. Alors que les textes sont clairs. Tout le monde accepte. Oui, c'est une demande sociale, le Guinness de son peut-être pas. Oui, éliminer Karim Wad ça passe. Nous ne khalifa. Test d'avance, parce qu'il a fait ce qu'il n'a pas fait. Mais bon, immunité parlementaire, vous dites non, il n'a pas d'immunité. On vous dit, oui, il a une immunité. Présence d'un avocat dans les 24 heures, dans la première heure du truc, non, tu n'a pas droit. Condamné. Taf, accélération, calendrier, Il participe pas. Ça passe. Mais avec Ousmane Sonko, il a eu droit. Il dit si tu veux me tuer, salis-toi les mains. Il fonce, ça chauffe, il recule. Élection locale, élection législative. Là, il se dit, on va vers les élections présidentielles, je reprends mon dossier. Le peuple reprend son bâton. C'est ça l'histoire. Je n'ai rien inventé. Qu'est-ce que vous voulez qu'on se dise, oui, on va respecter les institutions, la justice, on programme des trucs. Un opposant qui critique un ministre, on l'envoie en justice pour diffamation. Un opposant qui critique un ministre sur des questions de gouvernance, s'il n'a pas raison, tu, le, fais, tu fais un démenti et tu le discrédites. Tu l'envoies en justice. Le ministre l'envoie en justice. Tu le soutiens. Il est condamné. Vous, l'empêchez de participer à une élection présidentielle parce qu'il a dit qu'on a détourné de l'argent et qu'il s'est trompé ou bien qu'il n'a pas de preuves. C'est ça la démocratie. Quand vous acceptez certaines choses, en certains moments, il faut prendre vos responsabilités. C'est le peuple tu l'acceptais, vous dites, bon, je l'accepte, continue à faire ce que tu faisais. Mais nous, on ne fait pas ça. Quel que soit le prix, il nous mettra tous en prison, ça ne changera rien. Mais on aura laissé à la génération future cet esprit de combat pour la démocratie, pour sauvegarder nos institutions. C'est ça, c'est à ça que nous croyons. Vous avez tous ces morts-là. Vous avez vu là Nous ko jaral, jaral Eh, je, que vous revenir un tout petit peu sur euh, cette idée de, référendum, euh, sur la question du troisième mandat. Comment vous pourriez euh, l'argumenter et l'expliquer aux Sénégalais Je vous donne un exemple français. On est en France. Lorsque De Gaulle a eu des problèmes avec le Parlement, c'était un régime parlementaire. Il y avait toujours une instabilité. Il dit, OK, maintenant on change, il faut élire le président au suffrage universel il appelle un référendum. Il prend un décret. Normalement, si tu dois appeler au référendum, le décret doit être, tu dois avoir l'avis du Sénat et de l'Assemblée nationale. Comme ils étaient en divergence sur la question, il a fait le décret sans prendre leur avis. Donc c'était irrégulier comme décret. Mais le référendum a eu lieu. Et en 62, on a dit c'est fini. Maintenant, le président de la République en France est élu au suffrage universel direct. L'Assemblée nationale n'était pas contente. Ils ont fait une motion de censure contre le gouvernement qui tombe. De Gaulle dissout l'Assemblée nationale. Il restait que le Sénat. Gaston Defer attaque le décret devant le Conseil d'État. Vous savez ce que le Conseil d'État a dit Il dit Ok, je vois qu'il n'a pas consulté le Sénat, il n'a pas, pas eu les avis qu'il faut, mais dès l'instant qu'il a consulté le peuple et que le peuple a décidé que maintenant le président est élu au suffrage universel, personne ne peut le changer. Donc même si c'est irrégulièrement que le peuple est saisi, si le peuple décide, le peuple souverain décide, vous ne pouvez pas le changer. Moi, au Sénégal, on n'a même pas eu ce problème. Le peuple a été saisi régulièrement par le président Ablaïwad, qui avait trouvé une constitution qui ne limitait pas le mandat. C'est pour ça qu'il y avait un débat sur son mandat en cours. Le peuple a régulièrement dit que les mandats sont limités à deux. On a fait une grande réforme constitutionnelle en 2016. On n'a pas changé de constitution et on n'a pas touché ce point-là. Donc il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat de troisième mandat. Il y a une volonté d'un homme pour violer la constitution et une volonté d'un peuple pour refuser. C'est un combat politique il faut gagner ce combat. Tu par un référendum. Non. S'il décide maintenant, et ça c'est possible, que tu dises, bon, la limitation des mandats, je ne suis pas d'accord. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord sur la limitation des mandats. Mais c'est pas sera plus dangereux. Non, mais c'est pas dangereux, parce que c'est le peuple qui décide. C'est pas dangereux. Vous dites au peuple, moi je ne suis plus d'accord sur la limitation des mandats, on fait un référendum. Mais parce que s'il est dans des dispositions pour sauvegarder le pouvoir, Pensez-vous que Maxence a accepté Mais si tu veux garder le peuple, la question Mais si tu veux sauvegarder peuple contre la volonté, le, pouvoir contre la volonté de ton peuple, tu es une source d'instabilité. Mhm. Ça veut dire que tu ne dois pas garder. Donc, autrement dit, il n'a pas la légitimité politique euh, en fin de mandat de, pouvoir prétendre quoi que ce soit. Laissons-nous vérifier avec les élections. Mhm. Justement, en parlant des élections, pensez-vous que ça puisse vraiment se tenir à la date annoncée Parce qu'il y a un gros problème qu'il il me semble que vous n'avez pas encore pris en compte. C'est l'électorat de Touba. Parce que le calife a fait une sortie où il a demandé à ce qu'on ne vote plus dans la ville si ça se confirme, il va falloir déloger des électeurs qui étaient inscrits à Touba pour les déplacer. les déplace. Est-ce que vous pensez que c'est pas, pas un motif euh, à Non, non, non, c'est 350 électeurs, ils ont le droit de voter, etc. S'ils se déplacent, euh, on prend les dispositions pour le faire Ça. Je vous dis, d'ici, d'ici les élections, on peut organiser même un vote électronique. Mais le recensement qui est en cours de la population, c'est combien d'habitants au Sénégal 17 millions. Vous avez entendu un seul bruit sur ça On a recensé tout le monde. Tout le dispositif existe. Pour les électeurs, c'est combien 6 millions, au maximum 7 millions. C'est parce qu'ils ne veulent pas la transparence. Ce n'est pas un problème de lieu de vote. Si on veut organiser des élections transparentes, on peut faire un vote électronique. Tout de suite, les informaticiens peuvent tout de suite vous développer. Tout de suite, on fait une élection avec des bureaux virtuels, tu ouvres ton ordinateur, nom d'utilisateur, mot de passe, tu vas dans ton bureau, tu votes, c'est sécurisé. On sort les résultats instantanément. Il ne faut pas vous laisser. Moi, en tout cas, ce que j'ai appris dans ma petite vie, c'est que je ne me laisse jamais embrouiller par les prétextes que les gens utilisent pour cacher la règle. Tout ça, c'est de la propagande. Et ça peut-être aussi que vous avez été être pris devant devant par rapport à cette question. Non, nous, quelle que soit la configuration des bureaux de vote, même si on les met entre le ciel et la terre, on va aller voter. On va prendre des échelles, on va amener nos militants pour faire partie de maquissage. <laughs> À vous entendre parler, parce que je perçois une forme de radicalisme dans votre euh, position, euh, est-ce que aujourd'hui vous pensez que euh, pour résoudre ce problème avec le il faut bander les muscles Il n'y a que cette solution qui paye. Non, moi, je suis très radical sur le principe. J'ai toujours été comme ça. Tant que c'est le principe, je suis radical. Tout ce qui n'est pas principe, modalité, discussion, je suis radical Il ne s'agit pas de muscles ici, il s'agit de cerveau. Le cerveau de tous les Sénégalais fonctionne. Dans toutes les langues, on nous a expliqué, et lui-même, il l'a dit lui-même, qu'il ne peut pas faire plus de deux mois, qu'il faudra partir. Quand il y a eu la discussion sur les mandats qui sont de durée illégale, il a dit premier mandat 5 ans, deuxième 7 ans, après il faudra partir. Donc il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de solution. Autre solution, la seule solution, c'est que lui-même il respecte la Constitution et qu'il ne se présente. S'il ne le fait pas, toutes les conséquences, c'est lui. Juste une petite question, et bon, pas, une petite question, j'allais dire, une dernière question sur, sur la qualité. Euh, le débat actuellement, c'est la saisine de la CPI par les euh, avocats d'Ousmane Sonko. Vous êtes juriste. Il y a deux camps. Le gouvernement estime que ça n'a pas de sens, que la procédure ne pourrait pas aboutir. L'autre camp euh, soutient le contraire. Vous, en tant que juriste, quel pourrait être l'issue de cette affaire vous savez, quand une personne meurt, c'est déjà très grave. Quand des dizaines de personnes meurent, c'est encore plus grave. Et depuis 2021, on a vu comment les gens meurent des événements de mars, des manifestations politiques, des Quand les personnes meurent, notre position c'est clair Il faut une enquête indépendante pour clarifier les choses si un avocat déplaignant regroupe des preuves pour saisir la CPI, c'est le trône. Si le gouvernement dit que ça n'a pas de sens, ça donne juste, ça donne juste une information sur la considération qu'ils ont pour les victimes. Des gens qui meurent, des gens qui meurent au Sénégal, il faut clarifier. Qui est responsable donc, nous, on est totalement d'accord pour toutes les dispositions qui sont prises pour que la violence ne soit plus légitime, pour qu'il n'y ait plus d'impunité. Et lorsqu'on saura qui est responsable, qu'il soit sanctionné de la façon la plus dure. On ne pourra pas tuer les, responsables, parce que moi je suis contre la peine de mort. Mais la sanction la plus dure, mais il n'y a pas de responsable que des gosses meurent comme ça par balles réelles. C'est ce qu'on a eu comme information. Moi, en tant que juge, ce que je peux vous dire, j'attends de voir toutes les preuves Mais je suis favorable à toutes les procédures. Et c'est le gouvernement qui devait être le, premier à le faire. Il l'avait promis, là, en 2021. Il n'avait pas promis ça. Est-ce qu'ils l'ont fait Et le peuple est là, on attend quoi. Des, des gens meurent. Quand vous avez dans vos familles des gens qui meurent dans ces circonstances, vous allez voir ce que vous allez ressentir. On n'est pas dans un pays normal. Il faut retourner à la normalité. le Sénégal a besoin d'un président normal qui applique les règles. Mais surtout, on n'a pas besoin de complications. Ils sont en train de compliquer des choses simples. Pourquoi interdire Je l'ai dit, euh, je pense que c'est hier ou avant-hier dans ce radio à Vox Africa. J'ai dit, si vous interdisez une manifestation, vous avez acheté de la violence. Chaque fois que vous interdisez une manifestation vous pacifique, vous avez acheté une manifestation violente. Il faut plus de moyens. Il faut, il faut très peu de moyens pour, pour encadrer une manifestation pacifique. Mais il faut beaucoup de moyens pour encadrer une manifestation, pour réprimer une manifestation non autorisée. Non autorisée. Mais, vous avez vu les droits et libertés Aujourd'hui, les choses sont tellement claires. C'est pour ça que moi, je n'aime pas ce genre de débat où on essaie de voir des responsabilités. Est-ce que euh, qu'on a le droit Si quand deux personnes se battent, quelqu'un réprime l'autre, il faut arrêter celui qui frappe. Et aujourd'hui, c'est Macky Sall qui frappe. Pour rester juste euh, dans l'actualité, une dernière question. Mambeignan était là hier en conférence de presse et il a agité l'idée de la dissolution du, passé. Ah Pensez-vous que ça puisse être possible Autrement dit, hier, lors de la conférence de presse, il a affirmé, il dit qu'il mm. n'a pas de doute que le passé euh, la formation politique euh, son cours, ça euh, la dissoute dans les c'est le, nouveau ministre de l'Intérieur. Hein? C'est le ministre de l'Intérieur. Bonne question. Il faut juste savoir. Il n'est pas le ministre Même le ministre de l'Intérieur ne peut pas dire ça. Parce que le droit de créer un parti politique, c'est garanti par la Constitution. On a dit qu'il concourt à l'expression du suffrage. Les conditions dans lesquelles un parti politique doit être créé, doit fonctionner, c'est garanti par la Constitution. Il y a des textes qui le prévoient. Plus précisément, il a motivé parce qu'il dit que PASTEF est un parti insurrectionnel. C'est ça que je suis en train de vous dire. C'est une question extrêmement importante. Parce que ça fait partie de la stratégie que vous avez développée. PASTEF a, participé à des élections législatives, a participé à une élection présidentielle, a participé à des élections locales, a participé à des élections. Est-ce que vous avez un seul acte posé par PASTEF va dans ce sens. Et même s'il y a cet acte-là, il faut le prouver et vous donner à passer la possibilité de se défendre. Maintenant, le problème, c'est que le président n'a pas de problème avec Pasteur. Il a un problème avec la nouvelle opposition politique dont Ousmane Sonko est le leader. Et l'instrument Pasteur, si vous pensez détruire l'instrument Pasteur ou l'instrument Ousmane Sonko, par la répression des textes, vous vous trompez, parce que c'est dans les cœurs que ça se trouve. Il faut tuer les gens, ouvrir leur poitrine, prendre leur cœur et le brûler. C'est plus facile que de dissoudre une organisation qui se bat. Quand un ministre qui n'est pas compétent dans le domaine annonce une dissolution ça veut dire que ça ne fonctionne plus. Les règles, les règles ne sont plus respectées. Et là, ça doit émouvoir tous les démocrates. Dissolution d'un parti politique. Le fait qu'un parti politique qui représente ce qu'il représente là ne soit pas aux élections, c'est un dysfonctionnement. On doit laisser ce parti politique et ses représentants se présenter, on va savoir ce qu'ils représentent. C'est ça la démocratie. Si la représentation c'est le pouvoir, on leur donne le pouvoir. Si les représentant c'est de rester dans l'opposition, ils resteront dans l'opposition. C'est les Sénégalais qui votent non Donc, vous savez, c'est devenu très grave. Et c'est un processus qui a commencé. Et ce que je disais, c'est lié à la stratégie. Dans régime, quand c'est un relais, relais régime PS, ils ont donné le pouvoir au régime du PDS. Le relais, c'est le président Par malchance, il est tombé sur une disposition qui a limité son temps d'action. C'est deux mandats. Il voulait réduire de 7 à 5 ans, il ne l'a jamais fait. Maintenant, dans ce temps-là, il fallait consolider le régime. Pour consolider le régime, il fallait éliminer les adversaires. Il a commencé par des gens de son propre camp, Karim, Khalifa, et il était tout seul réduire l'opposition à sa plus simple expression un nouveau courant est né, il dit, je vais y aller. Ce qu'il a oublié, c'est que les instruments qu'il a utilisés pour tuer les autres ne marchent pas pour la nouvelle opposition. Pas qu'à poste, Pas qu'à poste. Mon mais pas là. Il peut tuer personne. C'est pour ça qu'il se regroupe. Ils vont utiliser tous les moyens, dissolution et tout. Ça ne changera rien. C'est dans les cœurs que ça se trouve. Les gens veulent un changement. Ils ne veulent plus de l'ancien régime. C'est ça l'aspiration des Sénégalais. Ils sont fatigués. Il y a des désordres. Ils n'ont rien donné au peuple. Rien. Les gens sont fatigués. Vous le savez très bien. Vous savez très bien que les gens sont fatigués. Les gosses, ils prennent la mer il nous a laissé dans les inondations. Il nous a laissé dans la pauvreté. On va vers la Tabaskifi. Personne d'entre vous ne peut dire que dans sa tête, là, son histoire de Tabaskila est réglée. Personne. Et vous tous. Personne. Chacun a un mouton dans sa tête. Depuis combien de temps Les choses sont simples. Mais la soit on accepte. vous dis à Makissa, vous êtes le roi. Faites ce que vous voulez. Soit on refuse. Et refuser, c'est faire des élections, voter, chacun vote librement, on respecte les résultats. Celui qui doit participer, participe. Malgré les négociations. C'est la première fois dans l'histoire du Sénégal que les gens se regroupent pour négocier la participation à l'élection. En disant, toi, c'est révision, toi, c'est vérification article 32, toi, c'est présentation devant le Conseil C'est du jamais vu justement pour vous, enfin, moi j'ai un, petit souci quand vous dites nous, nous, nous. Par moment, je comprends que c'est la coalition dans laquelle vous êtes et que vous faites partie avec le, passé. Par moment, je me demande s'il s'agit de vous et de votre organisation politique. Juste une précision avant que Oui, non, la... précision est de taille parce qu'il ne s'agit pas de coalition mais d'organisation. Il s'agit de la nouvelle proposition politique et dans cette nouvelle opposition politique, il y a plusieurs oppositions. Pasteur à son opposition, sa façon de faire l'opposition. Nous, Gengou, on a notre opposition, on a notre façon de faire l'opposition. Il y a d'autres. Chacun a sa façon, mais on est dans une même direction. On veut que les ressources naturelles de ce pays-là soient exploitées de façon judicieuse dans l'intérêt du pays. On veut que le capital humain soit épanoui, l'éducation, la santé soient financées par l'État on veut qu'il y ait une souveraineté qu'on discute à mémoire égale avec toutes les puissances étrangères, on veut que les institutions soient correctement corrigées et respectées, c'est cette nouvelle opposition politique. On veut que la corruption et la malgouvernance soient éradiquées. C'est ça qui fait notre différence. Et c'est ça qui fait peur. Maintenant, le peuple doit choisir, mais le peuple a déjà choisi. Le peuple a besoin que ces ressources-là lui reviennent. C'est aussi simple que ça. Et nous, c'est le combat que nous menons. Et c'est pour ça que on ne nous à rien. Et les répressions, là, il y a des choses qui sont visibles, il y a d'autres qui ne le sont pas. C'est l'élimination. Maintenant, ils se sont regroupés pour garder le pouvoir. Nous allons nous regrouper pour prendre le pouvoir. Quand je dis nous, je parle opposition politique. La nouvelle opposition politique qui ne fait pas de compromis, qui n'est pas assis entre deux chaises. D'ailleurs. Mhm. Opposition le matin, compromission le soir. Ça, c'est fini. Et le dialogue a réglé le problème. D'accord. Justement, je vais aborder une question. Euh, pour ceux qui nous suivent dans les réseaux, c'est le club de la presse euh, qui, a invité M. Boubacar Kamara, président du parti PCS et de la coalition du mouvement Djengou, Taba. M. Kamara, est-ce qu'aujourd'hui, vous, vous, comptiez aller euh, pour, apporter votre solidarité politique à Ousmane Sonko Autrement dit, si demain Ousmane Sonko, c'est une hypothèse, ne fait pas partie des candidats en liste pour les élections présidentielles de 2024, est-ce que vous, ce qu'on appelle des identités remarquables, vous avez tantôt évoqué, vous êtes dans une dynamique unitaire politique euh, inédite, est-ce que vous allez prendre part à cette élection sans Ousmane Sonko mais non, attendez, il ne faut pas comprendre les choses. Ousmane Sonko et PASTEF, c'est un parti, ils ont deux stratégie politique. Mhm. Nous, nous sommes un parti, nous avons notre stratégie politique. Tout à fait. Ce que nous avons en commun, c'est d'être dans cette nouvelle opposition politique qui veut la souveraineté du Sénégal. Le plan programmatique, on va se battre. Le rapport de force va déterminer les solutions ce moment-là on aviseur. On bâtira bah, des stratégies pour faire face. En 2019, on a fait face, non mm-hmm. Quand ils ont éliminé 20 candidats, 20 et quelques candidats sur les parrainages, on a fait face. Il y avait trois blocs. Il y avait un bloc de, deux, de trois candidats, c'était le bloc de Sogo. Il y avait un bloc de 19 et quelques dont le chef <laughs> a, changé de camp le lendemain. il y avait le bloc de Benoît Bokriakat. Et qu'est-ce qui s'est passé vous êtes le troisième. Les recompositions politiques, les stratégies politiques, ça, ça appartient aux appareils. Ils vont discuter, ils vont trouver des solutions. Faites-nous mm. confiance. Ce que nous demandons au peuple sénégalais, c'est de choisir entre la vérité et le mensonge. On nous a suffisamment menti sur les mandats, sur la constitution, sur la réalité économique, sur les projets. Maintenant, c'est fini. Ce mensonge-là avait pour but de nous endormir pour rester au pouvoir. Maintenant, c'est clair. La vérité, c'est quoi Nous en avons marre de laisser le pays entre des mains qui font de l'État une machine à sous, qui font de l'État un instrument de règlement de compte, qui font de l'État une machine pour briser les villes pour briser les carrières. Mais c'est tout. Quand Ousmane Zongo a été radié de la fonction publique, Beaucoup de gens n'avaient pas vu venir. Beaucoup de gens n'avaient pas vu venir. Oh, oui, bon, il ne doit pas divulguer. Qu'est-ce qu'il a divulgué Des informations qui n'étaient pas. Rien. Vous savez ce que c'est l'ENA Faire un concours de l'ENA Réussir un concours de l'ENA Faire une formation Travailler nourrir sa famille avec la sueur de son front. On t'éjecte de façon injuste. Aujourd'hui, tout ce qu'on a vu après ces quoi toutes ces persécutions que vous avez vues sous les opposants. Et mettez-vous, mettez-vous à leur place. Les stratégies politiques, les politiques vont le régler. Ce qu'on demande au peuple, c'est de choisir entre la vérité et le mensonge. Maintenant, si le peuple décide dans une large majorité, que le président Macky Sall est le seul à pouvoir diriger ce pays. Et qu'il faut lui laisser le pouvoir. Mais allez-y. Vous donnez vous Vous avez vu, depuis 2012, vous avez eu votre situation. Parce que je veux dire par rapport à la question de Fali, moi j'allais euh, la reformuler d'une autre manière en fait, pour, vous la poser, parce qu'on vous sent beaucoup plus proche du leader du PASTEF. C'est-à-dire qu'au cas où il serait éliminé, est-ce que vous vous attendez à, par exemple, récupérer son électorat Non. nous, on n'est pas dans cette hypothèse. Un plan B quand Non, non, non, moi, je, je, ne suis le plan B de personne. J'ai un projet de société qui est proche du projet développé par PASTEF et chacun travaille pour faire avancer ce projet. Et nous ne sommes pas, nous, dans des calculs. Notre position n'a jamais varié. Moi, j'étais, dans la coalition avec lui. J'ai quitté cette coalition. On a été ensemble dans Yéwi Askani. J'ai quitté. Mes positions n'ont pas varié. Mon positionnement politique peut varier. Donc nous, on n'est pas dans des, dans les trucs d'attente que quelqu'un soit. Ce n'est pas normal qu'on élimine un candidat. La participation, nous nous battons pour ça, c'est là. C'est tout. Tout le reste, ce n'est pas notre calcul. On n'a pas à accepter que le président Macky Sall décide qui participe, qui ne participe pas. Il a déjà décidé de qui participe. Vous avez vu dans le dialogue. Ce qu'il avait dit, bon, il ne participe pas, il les a récupérés. C'est réglé, non mhm. Entre eux. C'est réglé. Maintenant, c'est notre cas qui reste. Il dit non, ni ni, ils ne sont pas dans pour moi. Ni les gens sont dangereux le moi. Il y en a oui, beaucoup, beaucoup, je vais. C'est même pas décent. On ne peut pas faire ce type de raisonnement quand on fait de la politique. On se bat. C'est tout. Hmm. Qu'est-ce qui fait la particularité politique de Boubacar Kamara par rapport à d'autres personnalités politiques euh, au moi, vous je me définis, je me définis comme un technopolitique. Autrement que vous pouvez nous expliquer on a toujours vu des gens qui ont fait de la politique pour métier, qui viennent faire la politique euh, pour se positionner, pour chercher un poste. Nous, c'est l'inverse. Nous avons eu tous les forces les plus élevés dans ce pays, les mieux rémunérés, dans le public comme dans le privé. Et quand on a vu que notre pays, le pays que nous avons aimé, que nous aimons, le pays dont nous avons contribué au développement, était en train d'aller dans tous les sens. On a fait une déclaration le 15 mai 2018 pour entrer en politique, en démissionnant de toutes les positions qu'on a. Les positions que j'ai eues dans ma vie professionnelle, publique comme publique, je ne peux pas les avoir, même, en prenant le pouvoir. Même en prenant le pouvoir, je ne peux pas avoir ces positions de tranquillité, de bonne rémunération, de vie sociale épanouie. Je ne peux pas les avoir. Donc, c'est un engagement que j'ai parce que je crois que je dois au Sénégal toute la formation que j'ai C'est ça ma première particularité. Donc, toute cette technicité que j'ai, c'est ça que je veux mettre au service de la politique. Pour rembourser ce que l'État a fait pour moi. En ce moment, quand je vais mourir, j'aurai la conscience tranquille. Parce que moi, je n'ai jamais été à l'école privée. C'est l'école publique, c'est la sueur des ouvriers, des paysans, et qui m'ont permis d'avoir les compétences qu'il faut, au point qu'on demande ces compétences au niveau international. Donc ça ne m'appartient pas, je dois rembourser. C'est ça ma particularité politique. Donc je ne fais pas de compromis sur le principe, je ne fais pas de combinaison, je ne fais pas de compromission politique sur les principes. ni de Je ne jamais dans les combines. Justement, je ne suis pas dans les combines et si c'est blanc, je dis que c'est blanc. Quand c'est noir, c'est noir. Quand je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Moi, j'ai toujours dit, soit on est dans l'opposition, soit on est dans le pouvoir. Et quand on est dans l'opposition, il faut avoir un projet alternatif. C'est pour ça que j'ai écrit un livre. En disant, voilà, ce que je propose pour le Sénégal, sur tous les plans. C'est ça ma façon de faire ma politique. Alors, dans ce livre-là, euh, euh, euh, qui, fait peut-être le résumé de votre programme, qu'est-ce que vous réservez Quelle est la part de la diaspora dans ce livre Parce que jusqu'à présent, nous, avons le sentiment que ce qui importe pour les autorités, en tout cas s'agissant de la diaspora, c'est peut-être l'argent qu'on envoie au pays, c'est peut-être euh, voilà, euh, euh, des électeurs, n'est-ce pas, pour soutenir le pouvoir, mais concrètement, qu'est-ce que vous proposez, surtout pour que le Sénégal puisse tirer profit des, immenses ressources humaines dans la diaspora Alors, sous la diaspora, nous avons été très clairs. Le constat, c'est un, il y a un nuage de cerveau qui sert l'étranger et qui ne sert pas le Seigneur. Dans tous les domaines, nous avons des cerveaux. Le domaine le plus connu, nucléaire, tout, tous les domaines. Mais ils travaillent à l'étranger pour des firmes étrangères ou bien pour des États Ce nuage de cerveau, nous en avons besoin. Parce que c'est l'une des conditions pour industrialiser un pays et nous avons les ressources naturelles. Donc si on fait un matching entre les cerveaux que nous avons à l'étranger, plus les cerveaux au Sénégal et les ressources naturelles, on a trouvé la voie pour l'industrie. Mais pour que ces personnes-là arrivent au Sénégal, il faut que les conditions soient réunies. Il faut que le Sénégal puisse les accueillir dans les conditions démocratiques, que les postes soient distribués sur la base de la compétence et non sur la base du nombre de communes et des communes qu'on a gagnées. Donc c'est pour ça que dans notre livre, on a proposé un appel à candidature pour les postes les plus importants. 36 postes. une personne qui est dans la diaspora, qui est un spécialiste de, de l'énergie, il peut être directeur général, même s'il n'est pas membre de la fonction publique, parce qu'il a déposé son dossier, il a fait une candidature et tu peux revenir. On lui dit tu es un contrat de 5 ans, tu as une rémunération de temps, tu seras contrôlé, voilà le cahier des charges, voilà la mission qu'on te demande, voilà les emplois que tu dois faire. Ça, c'est la première condition pour le retour de zéro. Deuxièmement, les personnes qui sont dans la diaspora, il y en a qui sont des personnes vulnérables. Les enfants qui sont dans la diaspora, qui étudient dans un environnement qui ne servira pas à seront obligés de rester là-bas. Les femmes qui sont là la diaspora. Vous voyez ce qu'elles ce vivent Les conditions précaires dans lesquelles elles travaillent Vous les avez vues C'est pas perçu comme ça au pays. dit, oui, Italie, c'est tout. Mais ils ne savent pas comment tu vis. Quand tu te lèves le matin, quand tu prends ton train, quand tu as des problèmes de tickets, quand tu as des problèmes de nourriture. Tout à l'heure, j'étais là-bas, chez moi. Je regarde je vois une dame qui visiblement était une Sénégalaise. Elle était en train de fouiller dans les poubelles. Parce qu'à côté, il y a un supermarché qui, a, qui versé des produits qui étaient euh, à la périmée, proche de la, période. Mm. Il était en train de fouiller, je l'ai regardé. Avec son visage sénégalais, Il avait les larmes aux yeux. Mm-hmm. Donc, ces personnes vulnérables qui sont dans la diaspora doivent être soutenues. Comment leurs conditions de séjour, la régularisation, les négociations que vous faites en tant qu'État avec ces États, ça porte sur ça. Tu dis, j'ai des gens qui sont arrivés, je ne sais pas comment ils sont arrivés, euh, par la mer, etc., mais ils sont chez toi. Aujourd'hui, on n'a même pas un recensement correct parce qu'il y a des gens qui se cachent. On les régularisation. On négocie la régularisation. pour avoir un marché chez moi, pour participer à un appel d'offres, voilà le nombre de personnes qu'il faut régulariser. C'est comme ça qu'on négocie. Aucune société étrangère ne peut venir s'installer chez moi, gagner des marchés, alors que moi j'ai des citoyens chez lui qui ne sont pas régularisés. On discute. Régularisation, prise en compte sanitaire et tout, ils sont déjà là. Maintenant, on va créer une diaspora ça, C'est une société anonyme pour tous les gens de la diaspora peuvent acheter des actions. Avec un conseil d'administration, un directeur général, ils mettent leur propre institution. Action. 10 000, 10 000, on a une action. Enregistré. la diaspora amène à peu près, sur le plan officiel, 1 milliard, 1 milliard 5, euh, 1 milliards 5, 1500 milliards par an. Je n'ai pas besoin de 1500 milliards, j'ai besoin de 300 milliards. Moins du tiers. En compte courant qui sera remboursé. Vous faites une contribution dans le compte courant de diaspora SA. Et Diaspora SA vous représente si vous voulez construire votre maison. On a un réseau avec les architectes, avec des entrepreneurs. Vous n'avez pas besoin de vous donner, de le donner à votre cousin si c'est si c'est qui va qui va manger, qui va bouffer ou bien un là, qui va prendre votre argent, qui dit oui, mon papa, etc. C'est la société qui s'occupe de ça. Si vous voulez un champ, on travaille avec les parcelles de foncier. Tout, on organise tout et retombe. L'argent que tu as mis dans le diaspora ça. C'est ça qu'on utilise comme levier pour le financement. Votre épargne, on l'utilise pour avoir des prêts plus intéressants à l'étranger. En fonction de tes besoins. Les bénéficiaires qui recevaient l'argent que tu as donné sont formés et utilisés par la société dans le cadre des différents projets. Il y aura une plateforme de projets. On a déjà travaillé dessus, c'est réel. On a un collectif des cadres qui a travaillé dessus toute la déclinaison de diaspora et Ça, c'est une proposition concrète pour la diaspora. Et vous allez voir, quand vous voulez retourner, vous n'aurez plus de problème. Vous rentrez chez vous, vous avez déjà votre maison, on vous envoie le plan, vous validez l'aspect. Et vous dites, c'est pas votre responsabilité, c'est pas votre responsabilité. Vous donnez votre argent, vous dites, moi j'ai une maison, je veux une maison. Cherchez-moi un terrain, une maison, un entrepreneur et tout. Voilà le plan, voilà ce que je veux. On l'organise. Votre épargne, en fonction de vos revenus, vous permettez d'avoir des prêts. En fonction des prêts, vous dites voilà mes projets au Sénégal. Mais est-ce qu'on s'est occupé de la diaspora On parle de fonds en Algérie. On parle de fonds des fonds de 15, 3 à 15 millions, dont les conditions d'attribution sont peu transparentes. Tout est politisé. La diaspora est abandonnée. Il n'y a pas de politique la diaspora. C'est pour ça que les gens sont étudiants. Tu, tu fais le calcul, tu te dis, moi, si je suis là, je peux me déplacer sans problème je peux avoir le truc, j'ai pas de problème de. Bon, j'ai un petit problème de location et tout, mais si j'ai quelques revenus, je vais. Je retourne au Sénégal avec toute la pression. Je préfère rester ici. Quand un État abandonne ses citoyens, voilà ce que ça donne. C'est pour ça que pendant 63 ans, ce qu'on a gagné comme argent dans ce pays, ce qu'on a mobilisé, ça n'a pas servi au Sénégal. Ils n'ont rien donné au peuple. C'est pour ça qu'ils doivent partir. <laughs> Voilà notre politique sur la diaspora. C'est développé en partie ici. Et dans notre programme qui va sortir, vous allez voir tous les détails D'accord. En tout cas, merci Monsieur Tamara. On n'a même pas eu l'occasion de développer un tout petit peu euh, vos idées par rapport euh, aux échanges qu'on a eus. Oui, parce qu'on doit libérer la salle à 20h. Ah oui, mais c'est très intéressant. Je sais que. Ah bon ah voilà. Donc, voilà. demain, nous allons résumer le livre Alors, pour nous suivre vous les réseaux. Euh, le livre, il a. Il va avoir l'occasion demain. Peut-être en Wolof sur les dossiers Oui, en Wolof sur le. Bon, donc. Moi, le Wolof résumé. Il est venu à Est-ce que nous devons référendum pour. Euh,

Vous avez un précédent d'accord ben nit mën a changer règle Sénégal c'est une question de principe s'il était le meilleur président avec les meilleurs résultats si on lui donne la possibilité de violer la constitution de prendre le contre-pied de ce que le peuple a décidé ce n'est plus la peine constitution ku mu Comment Macky mais boo bëggee nit bu mm-hmm. xam ne bëggul dem te boolewu ci naxante <laughs> dafa yomb dafa yomb sax.

mais di créer ay problème di rey ay nit am na l'opposition comme extra mooy le fait que débat politique ni ngay gouverner baax na wala baax mais loolu mooy politique su fekkee ne euh, da ngay ne nit ki ni nga géré baaxul mu yóbbu la prison bi quand même on est d'accord nit ñi ci waxtaanee Sénégal di ci posé question mu am na andi preuve est-ce que am na preuve c'est-à-dire que Sénégal day mel ni.

mboocoor mm-hmm. mooy gëlëm bu ndaw mm-hmm. ngaax mooy charge bi ñuy teg gëlëm te mm-hmm. ñuy teg saat dafa am saat boo xam ne bii pour gëlëm bu mag boo ko ko tegee day dem mais gëlëm bu ndaw mboocoor boo ko ko tegee dafay sukk dootul buusi Sénégal gëlëm bu ndaw la oui c'est un pays qui n'a que soixante moom ay richesse war a développé moom population bu jeune ñu war ko aar Mhm. te liñ ko war a njëkk a aar mooy instabilité. Mhm. mais ñi xam ba taal. Mhm. moo ñuy indi instabilité. soo ñëwee fekk nit mu wóor na kii ñaari mandat la war a def parce que yow sa ceeb daf ciy tooy. nga bugg a justifier na dafa war a def ñetti mandat yow yaa ngi xam ba taal nga ñëw nit gis nit muy attaqué benn opposant bu ko deful dara sauf su defaat. defu ko dara lu mu mun a def affaire am la. yow def nga ñëw profité ci loolu pour daaneel ko nit ñi naan waroon na faa dem ak waru faa dem ak mais ñun Sénégal fu ñu nekk. Mhm. mu wóor la lii y a une volonté claire d'éliminer des gens mhm. ñu def ko kii defaat ko kële loolu laa wax Sénégal attanu ko. Mhm. élection nga gis kuy ñëw ne révision électorale six mois lañ ko war a def nga ñëw def ko un mois. ñëpp di la seetaan. nga ñëw def élection changer système bi. Mm-hmm. nga mujj naan jël système mais attendez voilà c'est ça. pour terminer mm-hmm. vraiment dama ko de 60 fois. une <laughs> fois parce que damay wax ni pour man parce que je me dis est-ce que man dof <laughs> je me pose cette question là. Ah oui. <laughs> La révision a commencé le 4 janvier et a fini le 17 août. 4 janvier, 17 août. Nous, on a eu 19 jours pour gagner février, 8 mois de mai, à 19 jours. Macky pour nous faire l'élection, on a eu 8 mois et 2 semaines. Sénégalais, mais tu ne comprends pas le que tu Il a fermé la Casamance, avion par démoule. Pour bien dire. Les gens sont en J'ai un ami qui voulait amener son père. Gravement malade, mu ko indi benn. foofu la ñu toll Sénégalais yi ñuy ñuy mais je me dis que pays bi xam nga lu ma j'ai fait brûler mon passeport ci fait wu mois mois de juin bi Sénégalais yi pour man du nit je te jure dama dem mes pays bi méritoo ma mérite ma naka ñoom dara. xam nga li ma ces enfants là qui sont levés xeex xam ne am nañu honneur ak dignité.

Appelant. Appelant. Appelant. Allô, euh, bonjour, Président. Bonjour, euh, Ce que je veux dire, bon, les questions, on y reviendra demain sur le livre et tout ça. Je pense que c'est plus approprié. Bon, là, j'ai posé une question. Bon, à mon sens, elle sera un peu embêtante. Mais je pense que c'est important qu'on la pose parce que les Sénégalais ont besoin. Bon, moi je suis le représentant du s 24 en France, dans la diaspora, et vous en faites partie, vous y travaillez beaucoup comme beaucoup d'autres, il faut quand même dire que nous avons une charte en quatre ou cinq points, selon qu'on subdivise un point, mais nous sommes 192 à ce jour. Quand je vous entends parler, euh, à vrai dire, je suis plus proche de votre point de vue qu'autre chose, hein, et que j'entends parler d'autres, il y, a nuance, quoi. Il y a véritable nuance. Et je pense que si nous dans F24, selon la charte, de voir à qui dit que troisième mandat vie, nous âme, éliminer Ken, euh, on, va, on va libérer tous les prisonniers, etc. Euh, etc. D'accord Parrainage, tout ça. On a vu, tout à l'heure tu l'as bien dit, négocier CNK. À partir du 25, c'est gars-là, qui sont en errance. Il va falloir qu'ils nous disent l'année parce que le troisième mandat, il sera toujours là, l'élimination des candidats sera toujours là, les prisonniers politiques seront toujours là. Parce que quand tu parles de la nouvelle opposition et tout ça, je te suis, je, suis bien d'accord. Mais on est quand même dans un cadre qui est large, qui s'appelle le F24, et c'est vrai qu'à un moment donné, on va se poser la question de la cohérence. Parce qu'on ne peut pas, nous, être sur le terrain, se battre. Et comme tu dis, nous, nous accepter un arbitre qu'on veut nous imposer. Quel que soit le contexte, qui nous sorte la responsabilité, le fait que ce sont des hommes d'État et que nous devons négocier. À un moment donné, ça va poser problème. D'autant plus que nous nous disons, allez aux élections, Macky Sall Dubok su on va en tirer les conséquences mais du parce que ce phénomène-là c'est un phénomène africain et le Sénégal doit redorer son blason sur la démocratie c'est-à-dire que ça fait 27 États qui l'ont tenté dans l'Afrique et à ce jour ils ont gagné le Sénégal est le 28e État est-ce qu'on va arrêter cette stratégie de confiscation du pouvoir par une bande de voyous qui récupère notre pouvoir pour récupérer nos ressources et l'utiliser en tant que monarchie. Tu as tout expliqué tout à l'heure. Mais est-ce qu'on va continuer comme ça par des subterfuges Il est évident que le peuple sénégalais devra se battre et dans la rue, aucun peuple ne se battra pour nous. Et nous avons besoin de cet étendard-là pour les battre une fois pour toutes et donner la bonne direction. Qu'est-ce que vous pensez de la suite dans le F24 par rapport à cette vision que nous avons en commun Bon, après, Giovanni, buñ ko naanee def fii du fi jógee parce que dañoo war a fet locaux yi léegi nañu nañu bàyyi euh, président mu répondre après après ñu répondre d' accord ok d' accord la majeure partie des Sénégalais occupent des sites précaires. Et je demande à M. Boubacar Kamara, une fois qu'il est élu président de la République, comment il compte gérer cette question foncière d'autant plus que la population est dans une dynamique explosive qui va atteindre les 40 millions en 2050 et que l'État prévoit de faire des projets d'utilité publique qui passent par des expropriations. Moi-même, j'en ai été victime dans le cadre du prolongement du terre et que les Sénégalais vivent des situations compliquées par rapport à la régularisation du foncier. Et donc, je voudrais bien entendre le présence. ce Très bien. Alors, on va, on va répondre à la question foncière, technique, et après sur le F24. Et sur les questions qui sont liées au livre, on va demain les clarifier, Inch'Allah, lors de la... Ce que vous avez dit là, je l'ai entendu mille fois. Et c'est pour ça que je m'en parle. J'ai un ami très proche. Quand j'ai décidé d'entrer en politique, il est venu chez moi. Il m'a dit, tu es devenu fou. Il dit, mais pourquoi munuma li nga am ci aduna ak sénégal man suma ko amoon radio sax duma ko dugg pour xam sax sax problème am na sénégal bu vacances jotee damay xol carte bi fu gën a neex fu ma mosul dem nga dem fa ànd ak sa famille dem nga ñëw ne da ngay dugg politique yow nga am possibilité amul gouvernement bu la a amul compétence amul ngay démissionné bàyyi li nga nga ne da nga dem dugg kër ko man damay remboursé sama mu ne ma remboursé da ngay ma ko buñ demee ba ci kanam gis la doon wax bi manifestation ma ne ma xam engagé

bu ñu dem ba ci karam doo amati suuf wala bala nga jotati ci suuf di nga fa nekk di exproprier ba pare day am spéculation mu def loi sur le domaine national en 64 ne képp ku amul titre foncier titre ku am titre foncier yaa moomal sa bopp y' a très peu de sénégalais ñoo am titre foncier mu ne lii domaine état bi la mën nañ di ko joxe bàyyi loué bàyyi bobu mën nga ko transformer titre foncier boko valoriser gis nga abi yi ci am actuellement bàyyi la jël mën nañ def expropriation am na ñoo xam li ñuy def ci souf ci aujourd'hui malheureusement je n'ai pas eu l'occasion attaqué na fi Ablaye sou 31 décembre ci affaire souf mu ne day indi sommation malheureusement indiwul sommation bu indi woon sommation ba ma dem ci juge bi dinaa leen wax suufu Sénégal ni ñu ko yàqe te Ablaye Sow mboocoor la ci ci suuf si mboocoor la ci ponkal yi yore suufu Sénégal di ko saax-saaxe ñu ngi fi suuf lu muy jëriñ liggéey dañuy def réforme domaine national ci lañu créer

le nouveau code la nouvelle loi sur le domaine national les collectivités yi fa des villages yi dafay am des terrains yo xamné des yi village yi moko mom am terrain yo xamné individualité yi par par concession ñom ñoo mom mu nek sen lopin de terre mu am li wax tolu ñëpp mu ngi ci livre bi tolu ñëpp da ngay nek ouvrier agricole nous ñu lay fay 50000 60000 000 par mois nga fay liggéey Agrégateur yi dañ leen di reprendre ñoom Sonagraines agrégateur pour céréales agrégateurs pour arachide ñom ñoy jënd dañuy am sen tolu bop di employé ay nit ñu liggéey ñu jël récolte bi jël pour def sen transformation naka ngay yoré gerte bu tonnu jox ko chinois ñuy ko ngay importer huile végétale té nga transformer donc souci si régime bi fay changer expropriation yi buy am lutax expropriation yu bari di am parce que amul plan d'aménagement du territoire fu nekk la nit ñi di tabax ba nga xam ne voies diñ ko un nouveau plan d'aménagement du territoire transférer capitale bi à Thiès parce que Dakar mënatul le capital. Dakar dafa fees del c'est fait exprès pour spéculer da nga ko yóbbu Thiès inondation yi zone yi ñu inondable yëpp nga nga déplacer leen mais boo leen di déplacer da nga leen di jox fu ñu jëm ba nga un aménagement du territoire publié ñëpp xam ne fii raay moo des jaar hôpital la mosquée la ñu discuter ko concerté forum partout Nous d'accord ne le le Sénégal ou a tëddee place su jaayukaay yi zone de commerce numéro 1, zone de commerce numéro 2, etc. T'as da ngay boutique sa boutique commerce la rue sens interdit am point rond point milliards pour les infrastructures en fait dañu liggéeyul Sénégal répercuté qui dafa nga dafa can ku nekk ngi mer parce que personne n'est plus en, en sécurité Nous, nous sommes fi F24 c'est une plateforme de lutte Vous savez, le point yi pose, c'est clair pas de troisième mandat droits et libertés acceptés Ce ma droits et libertés manifestation prisonniers politiques. processus électoral transparent mais dans ce dossier là Kounek, il dafa am nous le intéressé am a ne intéressé parce qu'ils se sentent pas concernés Nous xeexaanuñu ñoom leen intéressé peut-être le troisième mandat voilà participer à l'élection. yi mais nous ñi beaucoup de centre d'intérêt mais bu kenn pas moralement centre d'intérêt donc si tu es d'accord sur le troisième mandat mais tu ne dois pas t'opposer aux autres donc pour moi, le centre de lutte aujourd'hui c'est le F24 Nous ne ko pas renforcer nous ko renforcer on a une plateforme ça nous permet de faire face on l'avait avec le front de résistance nationale Nous, on n'a pas suffisamment combattu certaines choses maintenant F24 c'est une occasion moi je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut le faire quand je parle de nouvelle opposition politique ça c'est plus radical ça c'est en dehors ça c'est des gens qui se reconnaissent sur le plan programmatique waaw loolu une position là. pour moi quand vous voulez me toujours meilleur ancien régime parce que moi je parle de début de l'indépendance de 63 mhm. il faut une rupture maintenant F24 je suis pour que tous les partis qui sont membres se mobilisent parce que c'est la forte pression qu'il faut faire maintenant quand des gens vont négocier leur euh, leur participation et tout tout tout c'est pas une raison pour nous F24 parce que s'ils ne sont pas d'accord sur le troisième mandat xam nga nit bu amee ay contradiction Donc pas koy bàyyi ak contradictions contradiction l'essentiel bu mu ñemee jël contradiction posé ko pour yàq pour être à contre-courant de ce que tu fais nit euh, il faut retenir que la meilleure façon de cacher son mal c'est de crier contre ce mal Amé ah, am dañuy coow ni, mais li ce ci est duñ ko wax mais tant que ñëwuñ ko wax nga bàyyi leen ak seen dynamique